tu es encore pauvre. je suis pauvre. Ouais, dis-le haut et fort, t'es pauvre. Tu vois comment je suis ouais, oh les, Oh là là. les non Que ça, tu il est toujours pauvre. Non, sérieusement, hein. Les. Mais je, te dis. Je te dis. Je te dis. doomu nday Binta bi yaa laayoon Bon, je sais que Sorano, ce sera en avril, mais qu'est-ce qu'il y a Bon, maintenant tu es acteur dans Pod et Marichou. Mhm. Euh, est-ce que vous pouvez faire, Yen, est-ce que vous avez des idées de faire de, une série ouais, Série. Pour, avec vous, bin mhm. de par vous, est-ce que vous avez la capacité, est-ce que ça vous donne des envies Oui, depuis, je pense, c'est 2015 ou 2016, on avait fait l'épisode pilote de l'inspecteur mhm. Ok. Lolo mom "C'est ma carrière C'est pas toi duma du nekk quoi. ouais sans bi scénariste laay wut su ma ko amee rek suñ ko bindee ba pare rek jeex na on a les matos. ouais on peut le faire. ouais incha te gars yi ñu amee scénario bu doole chaque jour. On va faire un truc à part quoi. Mhm. pas ay euh, dundu love du truc comme ça. une ñëw notre univers. Mhm. on va créer un univers. voilà ça. et vous savez ce qui ce qui manque ici parce que euh, belle concept série bu et rek. Mhm. tout le monde copie. c'est ça le problème xam la mon film manqué une série comme ay Blackish série You Got, tu vois drôle rapide dynamique et ce serait tout à fait. Brooklyn Nine-Nine. Brooklyn Nine-Nine. tu vois You vous, seriez tout à fait dans Brooklyn Nine-Nine, mm. euh, qui passe sur Canal entre parenthèses, les amis. Et sinon, vous regardez sur YouTube, hein, pour les pauvres qui ne peuvent pas se payer l'abonnement, qui est quand même à 18 000. Euh, ça, c'est pour les riches. Ah, Comme moi, je fais partie des riches, j'ai l'abonnement. Moi, je n'ai pas l'abonnement. Non, <laughs> tu on oh, sait. On a déjà aussi euh, DSTV, qui dit, ben, TV <laughs> bon eh, en attendant waaw euh, dinañ ma coach fii chaque jour bañ naa ko garage bi laa koy jaaree. ah moo gën a wóor mm. non wax naa léegi fan laay jaaree. voilà waaw j'ai une vidéo que j'aimerais que vous regardiez sur euh, euh, le Facebook Live mais je pense même pas que tu l'as tu l'as bon regardez bien et regardez comment il peut arriver à faire plusieurs personnages <laughs> dans cette vidéo le père le fils on y va y va vas-y mais

Non. li non est-ce que tu sais pas pour ngay niru. <laughs> Waouh. ouais je viens de remarquer ah hein. Avec moustache bi tu ressembles au père de Drake. non mais nee na le non allez voir la vidéo le père le fils ak Doudou du mu ñëwee ak moustache que je jëlee. moustache dañ ko commandé woon. oui ça va non mais vous êtes grave. commandé juste pour euh, les vidéos là. on peut parler des cheveux de ton ami. Ah, Ils sont passés où les cheveux les cheveux <laughs> les cheveux santal yalla ba nu ko gis nii gisoo ko ba mu defee blague. waay waay au moins mi ngi uti kon <laughs> émission bi du am. non bilaay man damay daw. émission bi du am. du ñëw du ñëw ah. <laughs> du yegg sax du yegg du yegg. non waaw c'est vrai du yegg du yegg. ah j'adore ça. featuring non produit par euh, The Best waaw dama juum pardon. ah jërëjëf. faut pas baisser les bras. yes faut pas baisser les bras. Bara ba bara ba bara ba bara ba bara. Yeah. Bude góor neel tuddu Bude mëf neel nu daa Sabar ñaw comme bu buur Rigolo kong ku caa Tuudu rek sa concert sa bouche Teg la dil xol num la ci Respect comme Jamel le buur Sen ko ndaa buuse Na la xoy daje Na la xoy daje Ku si gëm sa bopp na loxoy daje faut pas baisser les barres ma ne faut pas baisser les barres ma barra ma faut pas baisser bi yow la xamay ni rek jëla jëla oh jaja ya ba moya jaja jaja eh ah ah ya may gaja bombali day koné Eko wol ni bi bi prale bi day charmer Eko ni bi bi sébi bu la la guddi ko di wax naa lu war a wax man jàpp ko wax wax xala lu ne nga dégg lu ne waaye ñoore ko ma ni hey hey na loxo yi daje na loxo yi daje gëm sa bopp tekkee teew ماني فوق باب الزل برا برا فوق باب الزل برا ماني فوق باب الزل برا فوق باب الزل برا Oh jaja Jaja Ya vamos yang jaja Jaja Eh bunyi patah ah, Ya yang main kaja Nyanyi Ya vamos yang jaja ya, ah, ah. Eh yang main kaja Kan léegi il faut ma gën leen cuk Iba indil leen bagage bi non non no dugg no dugg no xoof no bombaas. ni jaay na bagage bi dugg na bagage ba dugg eh. ay billaay. <laughs> Eh, yaa yaa leen doon dugg. yaa ko wax. <laughs> waaw waaw. tey ngeen dee de. caméra sur waaw mbay jëy fay. aji daaro. exclusivité. duudu. bilal ci cere bi. ñu ni nee na. waaw. na cere bi saf J'étais trop contente d'être avec Doudou aujourd'hui. Son album Tate of Wolof, une le télécharger. Sur Deezer, Spotify et iTunes. 2.3, le nouveau son.